بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله على الحبيب المصطفى محمد وآله ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورمشون لسنير سبحانه وتعالى كن زغمني سيا بقيع عندما ندال سبحانه وتعالى كل سنير مفسري في الأمور الأمور كل سنير الذي أصم مساجي لبين أمي كي جزبيرنا لتنبول صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم Et plusieurs versets dans le Coran, plein de versets, plusieurs versets. C'est ça mes chers frères, mes chers sœurs, quand en arrivant ici, quand on arrive à Al-Baqiyah, cimetière juste à côté de la mosquée de Prophète toujours c'est des réflexions. n'est pas uniquement pour faire des vidéos ou de prendre des photos, non, mais des rappels si on regarde, on est là. Alhamdulillah. De venir saluer d'abord. Dua pour les habitants ici, comme il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum ya ahl al-diyar min al-muslimin wal-mu'minin. Inch'Allah, nahnu bikum lahiqoun. Ça, ça montre que nous aussi, nous irons où ben, la mort viendra aussi. Comme on a expliqué hier quand nous étions à Moudou aussi, la mort, c'est des choses qui nous attendent et on est venu aussi pour partir. Personne n'a venu dans ce bas aussi pour rester éternellement. Comme Allah il a dit à son messager, le prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, dans Surah Al-Anbiya, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ C'est ça et après il a dit كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ Que chaque âme goûtera la mort. Si nous on vient ici, alhamdulillah, de voir qu'ici, quand on passe devant, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr Siddiq Omar Là, on dit, c'est Masha'Allah. Mais ici, Al-Baqi ici, il y a le troisième calife aussi. Les autres, ils sont là. Osman Ibn Affan. On sait quand même, lui, il avait acheté un endroit ici. Et c'est lui-même, il était enterré aussi, l'endroit qu'il avait acheté, radiallahu anhu. Et de voir aussi que la première personne qui était enterrée ici, Al-Baqi, c'était Osman Ibn Madroum. On sait quand même c'est lui le premier, la personne qui est décédée en arrivant ici à Médine, à Médine les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Alors Osman bin Madoum, on sait quand même lui c'est un frère du lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont bu même les, c'est ça on dit, Akhun Nabi alayhi salatu wa sallam, min al Ils ont bu même les, Ousmane bin Madoum et le prophète sallallahu alayhi wa, alayhi sallam. Quand ils ont enterré Osman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est venu au niveau de la tête, il a dit, Demandez à, votre frère. Et ça, ça fait partie des Sunnah de Prophète Après l'enterrement, qu'on s'est mis au niveau de la tête et qu'on demande pour lui qu'Allah lui facilite aussi de répondre aux questions. C'est la Sunnah de Prophète Après le Prophète il a dit parce qu'il sera questionné maintenant. Et ça, ça montre que le fait qu'on va lire euh, tel cours, et toutes ces choses-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas demandé. Mais le dua, pour qu'Allah lui facilite de répondre, on fait dua et après, alhamdulillah, c'est bon. Et c'est pour cela, quand on vient ici, c'est la méditation. Quand est-ce qu'Allah ou quand est-ce que notre tour viendra aussi C'est ça, chacun de nous doit réfléchir. C'est pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait interdit de visiter le cimetière, surtout les femmes. Mais après, il a dit non allez-y, visitez-le. Pourquoi parce que ça vous, fait des rappels aussi au niveau des Yom al les jours de la résurrection. C'est pour cela, si on regarde quelqu'un, il vient ici, de voir que le compagnon, les compagnons, comme on a dit Ousmane bin Affan, anhu, les épouses, Ummahat al-Mu'minin, les mères de croyantes aussi, ils sont enterrés ici. Les épouses de professeurs ils sont tous enterrés ici, excepté Khadija et Maimouna. On sait quand même Khadija et Maimouna, ils ne sont pas enterrés ici, mais les autres ici. Surtout, avec la précision Allahu Alam. Si vous regardez sur Internet, il y a tout, mais on ne va pas rentrer dans, ces détails parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais ce qu'il y a la certitude, à la rentrée d'Al-Baqir, on sait quand même le, le euh, débit. Premier partie, on sait quand même là-bas, c'est les anciens. là, il y a combien de, personnes qui sont enterrées ici On regarde la même superficie aussi, 180 000 mètres carrés. Et là, c'est beaucoup. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a fait la prière de soda tout à l'heure et il a Et on est arrivé aujourd'hui, c'est quatrième jour. Mais toujours, chaque prière, depuis qu'on est arrivé, il y a Salatul djanaza ici. Et chaque fois, il y a Salat Janaza, ben, il enterré ici. Donc si on regarde aussi ce n'est pas comme les autres cimetières aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua pour eux. Ils fait pour faire dua. Et c'est normal parce que juste à côté de sa mosquée, parce que lui-même il est enterré là. Donc il vient, il fait dua. Et nous aussi, quand on rentre, n'importe quel cimetière, des fêtes d'Oua, c'est important. Et la personne, il doit dire que moi aussi, mon tour viendra. Alors, avant que ton tour vienne, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut œuvrer. Il faut travailler pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si on travaille pour Allah subhanahu wa mais c'est pour toi-même. Toi Car la récompense, le Seigneur, il te donne, il donne à personne d'autre à part toi. Donc, c'est pour si on vient ici, mes chers frères, mes chers sœurs, alors les sœurs, ils sont pas droit de rentrer dans le Bakr. Mais quand on attend, c'est des rappels qu'un jour aussi, ils vont m'enterrer dans la tombe. Et qu'est-ce qui rentre avec moi dans ma tombe Les œuvres, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il y a trois choses qui vont accompagner la mort, euh, le corps. Trois choses, trois choses. Tes œuvres, ta famille était bien. Mais si on regarde le deuil, il retourne, mais il n'y a que les œuvres rentrent avec toi dans ta tombe aussi. Imaginons si quelqu'un n'a pas œuvré comme il doit, là c'est regrettable pour la personne. Donc si on vient ici, vraiment ça nous donne quand même euh, euh, beaucoup de, méditation et ça nous facilite aussi de regarder notre situation, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça seulement le but aussi. Et de dire, il y a des personnes qui sont passées. Si on dit au niveau de la science, la piété, la richesse, mais ils sont avant toi ils sont plus puissants que toi, mais ils sont sous la terre. Alors si toi aussi tu penses quand même que tu ne vas pas mourir, donc tu te trompes. Donc c'est cela, alhamdulillah, parmi les grands savants ici, Ali l'imam Malik et d'autres, beaucoup, beaucoup, beaucoup, sont enterrés ici. Donc on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mette nous aussi avec eux dans le paradis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que sait les gens de Baqi, alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua pour eux. Il a fait dua pour eux, donc nous, c'est ça, on souhaite quand même d'être parmi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 أخرجت المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم واسع مدخلهم واغسلهم بالماء والسبع والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين